Ha <laughs> ha! Chers auditeurs et auditrices des médias partenaires du studio Kalangou, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau forum euh, du studio Kalangou. Le thème de ce soir est axé sur euh, quel progrès enregistré dans l'apprentissage et l'utilisation du braille au Niger. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2012, le Niger compte un peu plus de 700 000 personnes handicapées, soit environ 4% de la population. L'Institut national de la statistique INS, après ce recensement, précise que les personnes aveugles ou malvoyantes représentent 0,3%. En ce qui concerne la prise en charge de l'éducation de cette catégorie de personnes au Niger, elle est assurée à travers le système Braille, un système universel d'écriture et de lecture en points saillants inventé entre 1825 et 1829 par un malvoyant français du nom de Louis Braille. Selon l'Union l'Union mondiale des aveugles, World Blind Union, le braille est aujourd'hui utilisé par plus de 6 millions de personnes partout dans le monde. En novembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaissant que l'usage de la langue écrite est indispensable à la pleine réalisation des droits des personnes souffrant de déficiences visuelles, a décidé de proclamer le 4 janvier Journée mondiale du Braille en souvenir de la naissance de Louis Braille le 4 janvier 1809. Comment se fait l'écriture Braille Est-ce que l'apprentissage du système Braille a évolué au Niger quelles sont les perspectives pour promouvoir le système Braille en vue d'un meilleur respect du droit à l'éducation des personnes souffrant de déficiences visuelles au Niger Pour en débattre, nous recevons comme invité M. Taher Sabra. Il est le chef de la division inclusion et éducation en situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Hassan Abdou Mustafa, représentant de l'Union nationale des aveugles du Niger, UNAN, et M. Maki Hassan, enseignant de braille à l'école des aveugles Soli Abdourahman de Niamey. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et bienvenue à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji. D'abord, euh, Hassan Abdou Mustafa, représentant de l'Union nationale des aveugles du Niger, UNAN, présentez-nous tout d'abord la situation actuelle des personnes aveugles au Niger. Merci beaucoup pour euh, cette occasion que vous nous offrez pour euh, un peu décrire notre situation. De plus en plus, on a tendance à voir des personnes aveugles se présenter à l'Union nationale des aveugles pour euh, pouvoir apprendre le braille et euh, ensuite continuer leurs études car euh, ces derniers temps vraiment les gens souffrent beaucoup de maladies euh, concernant leur vision. Donc, ce qui veut dire que les utilisateurs du braille s'accroît de plus en plus. Du jour au lendemain, on a tendance à le voir. Merci beaucoup. Rappelons que la loi numéro 98-12 euh, du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif euh, nigérien dispose en son article 2 que l'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien précisons que l'éducation des non-voyants est assurée à travers le système euh, braille. Que signifie le système d'écriture et de lecture euh, braille Monsieur Maki enseignant de braille à l'école des aveugles Souli Abdraman de Niamey. Merci. nous sommes euh, très ravi euh, d'être ici euh, au studio Klangou pour pouvoir parler au moins sur au moins la journée mhm. internationale du braille. Célébrer le 4 Voilà, célébrer euh, chaque, année, le 4 mhm. janvier, mhm. qui coïncide de la naissance même de l'inventeur du braille. Louis. Voilà, de Louis Braille, parce qu'il est né le 4 janvier 1809 dans leur village Coupe-Vraille, en France. Coupe, ça 40, 40 km de la France, de mm. la capitale de, Paris. Voilà, de Paris. Mm. Cette invention a été une bonne chose pour le monde aveugle, mm. parce que c'est à travers cette écriture que, par exemple, si vous prenez au Niger, et tout de suite, vous venez de donner le nombre de personnes handicapées pour le recensement de je ne sais pas de quelle année. De 2012. De 2012, il y avait à peu près 700 000, 700 de personnes handicapées. Dans le nombre-là, les aveugles aussi ont 11,2%. cest à dire que les aveugles représentent 11,2% euh, des personnes handicapées au Niger. Au Niger. Et donc je disais sur l'importance euh, de cette écriture euh, que les aveugles profitent avec. Mhm. L'Ubraï a inventé ces écritures et pour pouvoir aussi lui aussi pour faire euh, ses études. Mhm. Il était à l'âge de 3 ans lorsqu'il mhm. lorsque euh, il a eu le problème de, euh, comment appelle le problème visuel mhm. avec avec son papa parce que il était son papa était cordonnier. Donc lui donc à chaque fois il venait avec son avec son papa. Maintenant c'est là-bas que il a pris au moins un, de un des, objets de son papa, il a perforé, comment l'appelle, ses, ses, yeux. Donc c'est à travers ça que lui aussi, à chaque fois, il voyait que ses, ses camarades vont à l'école, lui aussi, il doit aller à l'école. Hmm. Maintenant, lui, il faisait, il faisait, ça à dire qu'il prenait eh, une planche pour, faire, pour pouvoir faire, ça à que des écritures à, relief. Hmm. Maintenant, ces écritures-là, il fait ça, il fait ça de plus en plus, de plus en plus. Maintenant, il a, il a inventé de faire maintenant le braille en six points. Hmm. Maintenant, pour pouvoir lire aussi, pour être à l'école. Maintenant, il a pu inventer maintenant le braille, comment on l'appelle, pour les six points de, que vous avez dit, de 1825 à 1829. Maintenant, de là-bas, maintenant, lui, euh, il, a fini sa formation, maintenant, il devient enseignant. Il était devenu enseignant, en même temps musicien, parce qu'il pratique, il mhm. pratique la musique aussi. Voilà C'est vrai, on sait que le système braille repose sur six points. voilà, voilà repose sur six points. Mais comment on arrive à avoir, par exemple, les 26 lettres de l'alphabet français à travers voilà. ces six points Voilà, c'est mhm. à travers les six points, mhm. à, travers les six points... Euh, et ce qu'on appelle la lettre fondamentale. La lettre fondamentale, donc, c'est à travers cette lettre-là que et toutes les lettres là viennent. Les six là, donc si vous voulez par exemple écrire la lettre A, c'est dans, dans, les six points là que vous allez enlever un point. Mhm. Et maintenant, si vous voulez écrire par exemple la lettre B, c'est dans ça que vous allez enlever la lettre B, point 1 le, et le point 2 là. Ainsi de suite, jusqu'à voir les, les 26 lettres de l'alphabet. Et maintenant, mhm. si vous prenez au niveau du braille, on a des différentes séries. Il y a mhm. la première série jusqu'à jusqu'à quatre séries même, à part les, les ponctuations, etc. etc donc à peu près 63 et quelques lettres. Pour pouvoir mettre les accents, par exemple. Voilà, les accents, les tout, tout, tout, voilà, mm. dedans. Mm. L'apostrophe, point de virgule, tout ça. Mm. Voilà. Merci, on vous a bien compris. Monsieur Tahir Sabra, chef euh, division inclusion et éducation en situation d'urgence, euh, au niveau du ministère de l'Éducation, quelle importance euh, vous accordez à ce braille qui permet aujourd'hui à l'État du Niger de contribuer efficacement à l'éducation de tous les citoyens nigériens malvoyants. Permettez-moi, Monsieur Michel, euh, avant d'entrer, de répondre à votre question, mhm. vraiment au nom du ministère de l'Éducation nationale, de rendre hommage à ces milliers de personnes euh, handicapées visuelles, mhm. les non-voyants et les malvoyants, qui se battent tous les jours pour apprendre, pour euh, tisser un lien avec mhm. les connaissances en apprenant les brailles particulièrement les quelques milliers d'enfants que nous avons au niveau des, du système éducatif. Euh, mhm. qui sont à l'école, qui apprennent dans des conditions plus ou moins, des fois parfois très difficiles, mhm. mais qui persistent et insistent pour un peu s'extriper de l'ignorance. Mhm. Bien, je voudrais aussi un peu repréciser les, objectifs de la journée, la journée du 4 janvier. On a déjà fait le pourquoi du 4 janvier. Mais l'objectif était quoi C'était de sensibiliser le grand public et les médias sur les handicaps sur les difficultés que vivent les, personnes euh, déficientes visuelles hum. liées à ce handicap. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était quoi C'était de, faire connaître au, grand public le braille. Qu'est-ce que c'est que le braille hum. À quoi ça sert et comment ça fonctionne Et c'est l'occasion d'appeler tout le monde que le braille, c'est une écriture vraiment très simple qu'on peut apprendre en une semaine hum. avec quelques exercices. On peut apprendre à lire et à communiquer, à écrire braille. Donc le reste, c'est avec l'expérience que ça vient. Je crois que c'est ça. Ça veut donc euh, être euh, malvoyant ne doit pas être synonyme euh, de ne pas aller à l'école, c'est ça Exactement. Mhm. C'est l'occasion de dire que au nom de l'État, mhm. que toutes les personnes handicapées ont le droit d'abord d'être à l'école, mhm. ils ont le droit d'accéder à l'école et plus, même les élèves, les enfants, les aveugles, les, non les malvoyants aussi peuvent venir apprendre à l'école. Mhm. Parce que le braille, il ne faut pas s'allurer. Le braille, on a dit, je vais citer un peu Valentin, qui dit que le braille est un outil d'émancipation et de mhm. désenclavement individuel, mhm. car il permet non seulement aux non et malvoyants d'être en communication écrite entre eux et avec leurs proches, mais surtout, c'est un outil de promotion sociale, c'est un outil d'intégration. Aujourd'hui, au Niger, nous avons des hautes personnalités qui ne savent lire et écrire qu'à travers le braille. Donc, voilà un peu le rôle du ministère de l'Éducation nationale et surtout. on a eu même des personnalités. Exactement, de grandes personnalités, j'allais même les citer. Nous avons Soli, l'illustre Soli Abdraman, qui, que son homme repose en paix. Magistrat. Mais actuellement, devant nous, c'est un exemple, nous avons un étudiant avec nous, mhm. nous avons un enseignant, mhm. nous avons des énarques, mhm. nous avons des, docteurs qui sont inscrits en, thèse, nous avons bon nombre d'autres euh, cadres et aveugles qui n'ont appris à lire à écrire qu'avec le braille et qui mhm. sont aujourd'hui très efficaces, avec qui déjà nous sommes déjà en train de travailler. J'ai mhm. vu avec quelle aisance ils sont en train de, s'en sortir, mhm. véritablement. Hum, je voudrais aussi un peu insister sur le le l'année statistique 2021. Nous avons environ 3000, 2737 hein, élèves qui fréquentent le système éducatif au Niger. Mhm. N'oubliez pas que l'État avait opté depuis un bon bout de temps. 2737 malvoyants. malvoyants et non-voyants mhm. qui sont à l'école publique. Ah, Ces chiffres viennent, des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Sur l'échelle nationale, ah, évidemment. Ah. Oui, oui. <laughs> Donc, sur mhm. l'échelle nationale. Donc, euh, c'est pour dire que l'État déjà avait opté au début, dans les années 79, il y avait mm. l'éducation spécialisée avec l'école Soli Abdraman qui accueillait déjà au début quatre élèves, hein. mm-hmm. quatre élèves et deux enseignants. Et aujourd'hui, l'école Soli Abdraman, mm. je crois accueille une soixantaine d'enfants, si je ne me trompe, et une vingtaine d'enseignants au niveau de mm-hmm. cette école. Sauf véritablement qu'il y a eu évolution. Au lieu de rester dans ce carcan de spécialisé, on s'était dit que pourquoi ne pas progresser vers l'inclusion mmh. L'État a créé ce qu'ils appellent des classes intégratrices. Et les classes intégratrices, c'est des classes qu'on crée dans des écoles, dans des écoles de tout le monde. Hein. On crée des classes et euh, on, apprend à ces enfants à écrire en braille et à lire et à écrire le braille pendant 3 à 4 ans. Mmh. Et immédiatement, on les intègre dans les mêmes autres classes. Ils sont à l'aise, ils s'en sortent très bien. Mmh. Ils entendent très bien, ils prennent note en braille et ils lisent en braille, ils sont évalués. Est-ce que ce dispositif euh, de l'État est fonctionnel euh, dans, toutes, les régions fonctionnel dans toutes les régions nous Si on vous comprend bien, monsieur le chef de division, si mhm. on a un enfant malvoyant qui est à Malbaza ou à Balayaga, mhm. on n'a pas besoin de l'amener dans une école des aveugles. Effectivement. Il doit être inscrit dans une euh, école traditionnelle comme les autres enfants. Exactement. Et quand il arrive en classe de CI, on l'inscrit d'abord à l'apprentissage du braille, c'est ça On l'inscrit à l'apprentissage du braille. Il apprend d'abord l'essentiel sur le braille. Mhm. Il sache lire et écrire en braille. Mhm. Maintenant, la quatrième année, on le reverse dans le système normal pour qu'il mhm. continue au CE2 avec les autres enfants. Mhm. Il sait déjà lire écrire et calculer, il connaît tous les signes et tous les symboles. Donc, c'est plus facile pour lui. Dès que l'enseignant est en classe, lui, il prend note. Il entend, il écoute, il prend note. Il est, aidé par ses pères certainement, mais d'autres enregistrent même euh, l'enseignement qui qu'officie l'enseignant qui est en classe. Les classes intégratrices, ce n'est pas toujours de l'inclusion, mais c'est mieux aussi, c'est une avancée. Et aussi, l'État a opté pour l'inclusion totale. Hein. Ça veut dire quoi ça veut dire que dans toutes les écoles, <coughs> prochainement, on n'est pas arrivé, certainement, mais on est au début. Dans toutes les écoles, les enfants aveugles peuvent venir s'inscrire dans les écoles. Mais bien avant, il va falloir former un nombre important d'enseignants mhm. en, braille particulièrement et à bien d'autres euh, qui vont aller les former qui vont aller les former parce que vrai. les en voilà. les enseignants qui font leur formation dans les écoles normales très souvent c'est qu'ils ne sont pas formés en braille il y a de cela déjà 4 ans mhm. ou un peu plus à l'école normale l'État dans le curriculum de l'école normale a mhm. inscrit la langue des signes et le braille comme des matières fondamentales au niveau des écoles normales mhm. ça veut dire quoi il y a euh, il y a 4 ans de cela tous mhm. les enseignants qui sortent jusqu'à aujourd'hui, ils ont quand même le béaba du braille et mhm. de la langue des signes. Au niveau de toutes les écoles Au niveau De, presque toutes les écoles normales mhm. du Niger. Donc c'est une réforme qui a été prise en compte récemment. Il y a un peu plus de 4 ans, 5 ans, environ. Et tout dernièrement, le, dispositif a été renforcé à travers la révision du curriculum des écoles normales pour, vous dire que l'État vraiment est en marche, était, est vraiment engagé à prendre ses enfants aveugles en charge n'importe où au Niger comme le veut, comme le souhaite, comme le veut le droit à l'éducation mhm. que vous avez cité. Merci beaucoup. Il y a donc beaucoup d'efforts euh, qui sont en train d'être euh, déployés par l'État. On le constate euh, à travers les différents éléments que vous avez énumérés à l'instant. Merci beaucoup, monsieur le chef de division de l'inclusion et éducation en situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Hassan Abdou Mustafa, représentant de l'Union nationale des aveugles du Niger, en tant qu'ancien élève du primaire et ensuite euh, étudiant, est-ce qu'il est facile d'apprendre le braille en réalité Dans la réalité, pour apprendre le braille, il faut avoir l'attention, beaucoup d'attention. Mhm. Il faut que tes oreilles soient avec euh, le formateur tes mains aussi. Donc euh, presque tous les membres doivent travailler pour pouvoir apprendre le braille. Mhm. Donc euh, c'est pour cela que je dis que c'est facile et compliqué, c'est les deux à la fois en fait. Mhm. Pour moi par exemple, je suis né avec euh, l'handicap. Mhm. Donc moi j'ai intégré directement l'école Souli Abdraman en, à l'âge de 6 ans. Donc, si la personne. commencé avec la classe de CI CI, voilà. Mhm. parce que Parce qu'à notre début, il n'y avait pas la classe préparatoire. Mhm. Mais ces derniers temps, j'ai vu que maintenant, on a évolué au préparatoire avant d'aller au CI. Donc, mhm. euh, moi, j'ai intégré la classe de CI là-bas. Donc c'est moins facile d'apprendre ça dès le bas âge et que quand on est un peu grand là et qu'on est déjà il y a le stress de l'handicap. Mais quand on intègre ça dès le bas âge, tu vas trouver que si tu mets ton attention ça sera moins difficile pour toi. C'est une règle voilà, c'est une règle. Parce que même les lettres de l'alphabet français, c'est pas facile de les mhm. mémoriser, les 26 lettres. Voilà. Mhm. Mais par exemple, vous qui avez étudié le braille, quand on vous parle des 26 lettres de l'alphabet français, de les écrire avec les six points inventés par Louis Braille, est-ce que cela vous est facile Pour moi, écrire les 26 lettres de l'alphabet français en braille, ah, c'est plus que boire de l'eau. Pour moi moi, y a pas, je peux vous dire les points, comment les situer. Et mm-hmm. n'importe où, si vous amenez ça, mm-hmm. et même un enseignant, et la lecture aussi, il ne peut pas contester. Et la lecture aussi, c'est la même chose. Dès que, je mm-hmm. touche, j'arrive à reconnaître. Que ce soit en français ou en anglais, dès que je touche, j'arrive à reconnaître ah, tel c'est tel mot, tel là c'est tel mot. Donc euh, facilement, j'arrive à repérer, à me retrouver mhm. avec euh, les textes et autres. Mhm. Que ce soient les textes euh, de lecture, la mathématique et autres. Et justement, vous parlez des mathématiques. Est-ce qu'avec le braille, il vous est également facile d'avoir les chiffres et les nombres oui, oui, exactement. Il y a les chiffres. Et tout récemment, il y a eu la naissance des chiffres Antoine. Donc, c'est le signe qui change en fait. Monsieur euh, Maki Hassan, enseignant de braille à l'école Soli Abdraman de Niamey, est-ce qu'un enfant qui a étudié le braille peut lire correctement un document comme quelqu'un qui n'a pas étudié le braille et qui a fréquenté l'école traditionnelle lorsqu'il lit euh, Il parlait d'un enfant, par exemple, qui est à l'âge de 6 ans, euh, mhm. qui était handicapé visuel. Il était inscrit, par exemple, à l'école Soli Abdraman mhm. ou bien dans les autres classes intégratrices. C'est vrai, comme l'a dit avait notre école avait amené par exemple juste euh, avec les spécialistes parce que nous avons des spécialistes qui ont fait l'éducation spécialisée mhm. et nous avons nous avons à peu près deux ou trois qui ont fait par exemple la, Tunisie et le Nigeria donc ils ont vraiment une, notion très acceptable par rapport à la formation et ça dire que du braille ou bien le système même et de l'éducation spécialisée. Mmh. Maintenant, il y a une classe qu'on appelle une classe préparatoire. C'est sous forme de, jardin d'enfants mmh. que l'école a, l'école a, l'école a pris une classe à part. Ça, c'est pour au moins former les enfants. Par exemple, un enfant s'il vient à l'âge de de, 6 ans ou bien de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut le garder dans cette classe-là, la, classe préparatoire. Maintenant, dans la classe préparatoire là, l'enfant va au moins apprendre au les 6 points là, uniquement les 6 points les six mois parce que dans les six points là, il faut que tu connais la situation. C'est-à-dire que comment, comment situer le point 1, le point 2, le point 3 jusqu'à 4, 5, 6. Au moins savoir les, comment l'appelle, les, six les trois points se trouvent de quel côté. Les trois points se trouvent de quel côté. Il faut que l'enfant arrive à connaître. Maintenant, si l'enfant de 6 ans, il arrive à connaître par exemple ces six points-là, maintenant il y a ce qu'on appelle la mobilisation aussi. L'enfant doit, au moins un aveugle qui ne voit rien, il doit au moins savoir l'emplacement aussi de sa table. Mhm. Il vient dans sa classe maintenant où se trouve sa table maintenant, dès un jour, deux jours, trois jours, il faut que l'enfant sache là où se trouve sa place. Mhm. Et tout ça là, il faut qu'on apprend maintenant à un enfant, et un enfant euh, qui vient euh, à l'âge de 6 ans à l'école. Donc je peux dire que, comme l'a dit l'autre là, Moussafa, c'est vrai, c'est lui qui a pris le braille à bas âge, qu'il n'est pas euh, comme celui qui vient à l'âge adulte. Mhm. Donc vous voyez, maintenant présentement, moi là où je suis, je forme que les enfants qui viennent qui, viennent, qui viennent comme ça. Par exemple, ceux qui sont euh, au CM1, CM2, 6e, 5e. Si un enfant, par exemple, s'il est au collège, maintenant il a un problème de vision, si on l'amène, on l'amène à l'école, c'est à moi de la, de Comment la former et comment l'appeler l'appelle en braille. Maintenant, dès qu'il finit maintenant sa formation du braille, maintenant il retourne dans son, dans son école d'origine. Par exemple, s'il est au CM1, maintenant dès qu'il est bien à l'écriture, il retourne maintenant dans son école d'origine, là où se trouve, là où il, là où il a fréquenté depuis lorsqu'il était voyant. Mhm. Maintenant, il retourne maintenant avec, dans, son ancienne école et il continue maintenant sa scolarisation. Maintenant mhm. Et quand il y a des évaluations, lui, il compose en braille. Voilà, il compose ici, il y a une évaluation, maintenant, il compose ça en braille. Mhm. Maintenant, comme l'a dit... On a vu même qu'au Niger, les épreuves du BEPC, il y a des candidats qui composent en braille. Voilà. Maintenant, tout simplement, il y a il y a, euh, chaque fois, il y a l'examen et le, le, ministère a fait appel à notre association. Mhm. Comme c'est notre association qui a l'imprimante braille là, parce qu'il y a une imprimante braille. L'union des aveugles. L'union des aveugles, voilà. Mhm. Maintenant, le ministère vient, le ministère vient, il parle avec l'association, ils prennent maintenant l'imprimante, il va au niveau du ministère pour, pouvoir faire leur, leur épreuve. Maintenant, mhm. dès qu'ils mettent ça dans l'ordinateur, ils scannent sur l'ordinateur, Maintenant, directement, ça sort, maintenant en braille. Mhm. oui, c'est vrai, il y a un logiciel qui convertit voilà. pour avoir la version braille. Voilà, peut-être le, chef va donner au moins mhm. après, peut-être le ministère ne dispose pas de la machine, mais dans tous les cas, elle va, elle va vous donner au moins d'amples euh, mhm. euh, information informations par rapport à ça. Et maintenant, les corrections, ça se fait comment Puisque les enseignants, eux, ne savent pas peut-être. Oui, euh, c'est ça que, le, c'est ça que le mhm. monsieur est en train de dire. Mhm. Il a dit qu'il y a des gens qui sont formés en braille, ça veut dire que même pas des aveugles seulement. Mhm. il, y a des, y a des, voyants comme vous, monsieur Michel. Vous pouvez apprendre le braille. Hein? Le braille, là, ça, devient maintenant une écriture universelle. Maintenant. ce n'est plus maintenant, on dit, c'est une écriture de personnes aveugles. Maintenant, c'est un aveugle seulement qui doit apprendre ça. Non. Maintenant, notre chef là qui est présentement avec nous, normalement, il doit apprendre le braille pour au moins <laughs> pour suivre. voilà, il doit <laughs> suivre parce que. Voilà. Il doit parce qu'il peut venir dans ma classe et maintenant je peux, donner, comment on l'appelle Je peux donner n'importe quoi dans ma classe. Mhm. Mais si par exemple un conseiller n'a pas la formation du braille, mhm. est-ce qu'il peut venir m'encadrer Il mhm. ne peut pas venir m'encadrer. Mais est-ce que les autres enfants ne souffrant pas de déficience visuelle ont plus de facilité à apprendre la lecture et les mathématiques selon vous C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Si par exemple l'élève, euh, c'est lui qui a bas, à bas âge, n'a pas de problème. Et l'autre aussi, l'autre aussi qui vient par exemple présentement dans ma classe, j'ai à peu près 4 ou 5 élèves qui sont au CM2. L'année passée, ils ont fait même leur d'entrée en sixième mhm. Maintenant, ils, sont tombés, maintenant, ils sont tombés aveugles maintenant. Et, maintenant, ils sont venus maintenant apprendre le braille. Mhm. Dès Dès finit maintenant le, braille là, maintenant, ils vont retourner soit dans leur ancienne, leur, école, soit au CM2 ou bien au collège. Mhm. Déjà, ils, sont, déjà ils, sont, ils ont appris le braille, ils savent lire et ils savent écrire. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, je peux dire que euh, si comme l'a dit Moustapha, si tu as, as donné ton attention à cette formation, c'est vraiment ce n'est pas du tout difficile. Comme l'a mm-hmm. dit le chef, de, chef de la division, il a bel bien dit que dans une semaine, mm-hmm. la personne peut apprendre. Même l'année passée, il y a eu trois enseignants. Trois enseignants, je dis bien, qui étaient venus, ils étaient voyants, hein. et maintenant ils sont tombés aveugles. Maintenant, c'est moi-même qui les ai apprendre comment, comment apprendre le braille. Mhm. Maintenant, ils, ils ont fini et déjà, ils sont retournés dans les, dans les, dans les, dans les, autres écoles qui ont mhm. des classes intégratives euh, pour les personnes aveugles. Maintenant, les personnes qui voient, ils lisent avec euh, les doigts ou comment ça se passe Certains lisent avec les yeux. Parce que ça le problème. les malvoyants, normalement, le, braille, ça a été inventé pour qu'on puisse lire avec, c'est le toucher en fait. Quant à moi, les cinq organes de sens, Quand euh, à moi, normalement, ce niveau, avec Mes doigts. Vous vous lisez, c'est en touchant qu'on sent qu'il y a deux points, il y a un qui est à droite, donc c'est C. Voilà, dès que je dépose, mon, doigt, c'est que voilà. Mhm. C'est que je pose mon, doigt, c'est même pas la peine de, de, de comment la peine de faire. Alors que les autres, est-ce qu'ils lisent avec les doigts ou euh, ils regardent Les voyants Oui, les, les voyants regardent avec les yeux, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Parlons à présent des perspectives pour mieux promouvoir le système Braille en vue d'un meilleur respect du droit à l'éducation des personnes souffrant de déficiences visuelles au Niger, suivant tout d'abord les attentes de quelques étudiants malvoyants à ce sujet. Quand on est au lycée, là où on demande à brûler des romans, à faire des exposés. Là, moi, de ma connaissance, je n'ai jamais vu un roman en braille. Quand on demande ça même à notre imprimerie, ils nous disent que ce n'est pas accessible et que ça demande beaucoup de moyens et ces moyens-là ne sont pas réunis. Bon, vraiment, après les études, vous savez, en général, pour les pays comme le Niger, on fait face à un problème d'emploi. Même nous, les personnes handicapées, on n'est pas à l'abri de ces problèmes-là. Mais pour nous, je pense que c'est plus gravissime parce que souvent nous nous constatons, même le fait d'avoir un stage pour une personne handicapée, c'est un problème. Parce que et les études, vraiment, il n'y a pas une mesure d'accompagnement qui va nous permettre d'accéder facilement à l'emploi, malgré qu'on parle du droit de quotas en cas de recrutement. Des propos recueillis par le studio Kalongo. Monsieur Taher euh, Sabra, chef euh, division inclusion et éducation en situation d'urgence au ministère euh, de l'Éducation nationale. Quelle euh, réaction après avoir écouté ces étudiants malvoyants, notamment par rapport euh, à la question de l'accessibilité du braille dans l'enseignement supérieur Exactement, c'est là où j'allais évoquer. Au niveau du primaire, on est plus ou moins très avancé, mhm. j'allais le dire, comparativement au secondaire le gros problème, on le rencontre effectivement au niveau du secondaire et du supérieur. Mhm. Au niveau du secondaire, non seulement les enseignants ne sont pas assez formés, mhm. les enseignants ne sont pas bien formés, mais aussi il y, a des, y a certaines matières que les personnes aveugles n'arrivent pas à, faire. Mhm. compte tenu de la compétence de leurs enseignants ou Quelle matière, par exemple, par exemple les mathématiques, les, les PC, e, ils sont exemptés des mathématiques et des PC. E. Pourtant, s'il y avait les moyens, le braille te permet de, de, faire les mathématiques. Il y a mhm. aussi l'informatique adaptée. Même l'informatique, on peut le faire en mhm. braille, s'il y a véritablement les moyens. Je vous ai dit, au secondaire, il reste beaucoup à faire. La formation des enseignants, c'est mhm. essentiel avoir des enseignants compétents dans la prise en charge des enfants aveugles. Ça, c'est dans les matières scientifiques, dans les matières littéraires. Par exemple, la série A4, euh, mhm, il y a mhm, un mhm. des intervenants qui explique que les œuvres qu'il faut lire, parce qu'un littéraire, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Ah et les œuvres, il n'y en a pas en braille, c'est des difficultés. C'est une question de moyens, mais quand même au niveau de l'état nous avons des imprimeries un peu partout dans la région. Hein. Nous avons, il a dit, l'imprimerie du Niamey chez eux. C'est une imprimerie, même si ce n'est pas l'État. Mais... <laughs> ne t'inquiète pas, bientôt le ministère va, va fournir euh, des imprimantes braille mhm. aussi à la région de Niamey. Mais nous mhm. avons ça à, Zender, nous avons ça à Difa, nous avons une imprimerie à, Maradi. Nous avons au moins cinq imprimeries implémentées un peu partout de la région. À Dosso, à Gaïa, vous en avez des, imprimeries. Certes, ça coûte très cher imprimer un livre, mais c'est possible. C'est une mhm. question de moyens. Pour le moment, on n'arrive pas à imprimer des livres. Mais c'est possible d'avoir tous les livres imprimés et transcrits en braille. C'est mhm. possible de les avoir si les moyens sont disponibles. Mais tout de même, l'État est en train de faire des efforts un peu partout. Je vous ai parlé des réformes au niveau de l'école normale, au niveau mhm. des, Au niveau de l'école normale, ça c'est pour euh, l'enseignement primaire. Pour l'enseignement primaire, mhm. effectivement. Mais en partie du collège. Mais euh, aussi, il y a des séances de formation. Tout récemment, il n'y a pas deux jours, je viens de Corémérois où on a eu à former d'abord les enseignants du primaire et du secondaire du collège. Mhm. D'abord, c'est l'éducation inclusive parce qu'il faut commencer par là. C'est une sorte de sensibilisation sur comment prendre en charge les enfants handicapés en général. Mhm. Mais aussi, bientôt, nous allons enclencher le processus de former les enseignants du secondaire en braille et en langue des signes. Et c'est très important. Ça commence par là. Mhm. Donc, le ministère est en train de vouloir former l'ensemble, le maximum d'enseignants pour que ces, ces enfants-là puissent accéder à leurs droits, à mhm. l'éducation. Ça veut dire que les progrès continuent Les progrès continuent. On vous a bien compris. Merci beaucoup, monsieur le chef de division au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Hassan Abdou Mustafa, représentant de l'Union nationale des aveugles du Niger, euh, UNAN, quelles sont aujourd'hui vos attentes euh, par rapport à l'enseignement et l'utilisation du braille au Niger Comme l'avait affirmé le représentant du ministère, beaucoup est fait et aussi beaucoup reste à faire. Il va falloir mettre beaucoup de moyens pour que ces, écritures-là puissent continuer vraiment à servir les personnes avec les malvoyants. Car je vous cacherai ces derniers temps, en attendant chaque jour à voir le nombre de personnes avec malvoyantes s'accroîtra chaque jour. Surtout, j'aurais voulu que le représentant du ministère de l'enseignement supérieur aussi soit là pour qu'il nous réponde, car là où c'est là-bas qu'il y a plus de problèmes. Après le supérieur, il plus de il y en a plus. Mais vous, avez étudié dans justement ce système de l'enseignement supérieur. Je suis euh, étudiant à l'ENA. Beaucoup d'enseignants ignorent c'est quoi même le braille. D'autres, et euh, le fait même de voir un non-voyant étudier, ça leur étonne plus. Donc, quelqu'un qui n'arrive même pas à comprendre comment toi tu peux étudier, comprendre ton écriture là, on n'en parle même pas. Donc là-bas au ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur, beaucoup reste à faire. Parce que, prenons l'exemple euh, de l'université Aboumoun de Niamey et dans toutes les autres. Malvoyants. Oui, oui, et mhm. dans toutes les autres universités publiques du Niger. Et je vous assure, il nous est très difficile. C'est pour cela que d'autres finissent toujours par abandonner. L'inexistence même de certains euh, matériels à l'université, par exemple, et les enseignants aussi, c'est vrai qu'on parle du euh, il y a des outils pour pouvoir euh, réussir à bien écrire, il y a des tablettes, il y a euh, l'imprimante braille. il y a des poinçons aussi. Beaucoup de choses. Mhm. le, papier, le braille, tout ça. Est-ce que c'est disponible au niveau des universités <laughs> Non, non, non. En tout cas, nous-mêmes, on s'est badé pour avoir ça, mais il n'y a pas ça c'est pas en tout cas pour le moment, c'est pas disponible. Comment vous euh, faites en tant qu'étudiant quand vous arrivez à l'université ou au niveau de l'ENAM Vous faites la demande, c'est ça Pour euh, avoir les papiers pour composer, il va falloir euh, acheter ou bien avoir ça auprès des bonnes volontés ou bien aller à l'Union nationale des aveugles du Niger. Là aussi, ils font de leur mieux pour aider les étudiants à, bien mener leurs études car euh, tout le monde sait que c'est pas facile pour euh, l'étudiant aveugle de travailler, raison pour laquelle d'autres finissent toujours par abandonner. Mhm. un étudiant aveugle, pour pouvoir étudier, il va te falloir beaucoup de moyens. Mhm. Et ces moyens, jusque-là, c'est vrai, l'État est en train de faire beaucoup, mais ça reste encore. C'est vrai, un étudiant, de façon générale, c'est difficile euh, mhm, parce mhm. qu'on voit que les étudiants, très souvent, dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Mhm. Et ça veut dire que quand on a un handicap, ça devient encore ça devient encore, compliqué. Encore plus compliqué. qu'on a euh, des malvoyants qui sont excellents, mais aujourd'hui, en réalité, euh, le braille arrive-t-il à faire un bon cheminement avec les innovations technologiques du monde numérique, mhm. utilisation des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. Avec le braille, est-ce que vous êtes euh, dans tout ce mouvement numérique euh, comme les autres En tout cas, je suis en train de venir, mais à compte-gouttes, on espère d'ici là être au même niveau d'égalité que les autres pays. Mhm. Quand même, euh, on arrive à avoir certaines choses, mais beaucoup reste à faire. Certaines choses, c'est-à-dire avec un téléphone Android, euh, est-ce qu'on peut arriver et à se connecter. Voilà, Après presque maintenant tous les téléphones Android euh, viennent avec la synthèse vocale mm. et même si ça ne vient pas avec, tu peux télécharger ça et te connecter sur WhatsApp, Facebook et autres. Par exemple, moi mon téléphone voilà, je peux faire WhatsApp avec, je peux faire des recherches avec mm. et c'est vraiment un avancée considérable euh, dans l'étude des personnes en situation de handicap, euh, plus particulièrement les non-voyants. Donc, euh, parce qu'un non-voyant qui n'a pas la possibilité d'avoir euh, des documents en braille, tu peux maintenant avoir ça sur ton téléphone et écouter ça. Donc, quand vous voulez écrire un mot, si je comprends un message, vous appuyez, le téléphone vous dit la mhm. lettre que vous avez à On peut avoir le, le clavier braille dans les téléphones iPhone, mhm. mais pas dans les téléphones Android. Et vous savez bien que dans la vie quotidienne, même pas pour une personne handicapée, même pour les autres, euh, mhm. c'est pas facile. avoir un iPhone, euh, c'est un luxe. Donc, euh, ces luxes-là, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre de mhm. l'avoir. Donc jusque là, ça reste encore, mhm. euh, beaucoup reste à faire encore. Et euh, j'appelle euh, du plus haut sommet au niveau de notre père, son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum de s'y mettre et de mieux pour que nous les personnes en situation de handicap puissent mieux avoir nos droits et étudier comme toutes les autres, être au même pied d'égalité. C'est vrai, il fait beaucoup, mais quand même, euh, il est attentif. Je sais qu'Inch'Allah, il va répondre à notre appel. Merci beaucoup. En tout cas, l'article 11 de la Constitution du 25 euh, novembre 2010 euh, fait des citoyens nigériens tous égaux. Ils doivent chacun donc jouir de leurs droits et la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée le 24 juin 2008 euh, par euh, le Niger dispose justement que les États partis reconnaissent euh, le droit des personnes handicapées à l'éducation. L'État doit donc faire tout ce qu'il peut pour que vous puissiez jouir de ce droit à l'éducation. Et c'est ce que le chef de division inclusion et éducation en situation d'urgence a eu à nous expliquer. Merci beaucoup. Monsieur Makiassan, enseignant de braille à l'école des aveugles Soli Abdraman de Niamey. Quand on a une euh, performance de lecture et d'écriture braille, est-ce qu'on peut avoir les autres alphabets, par exemple arabe, chinois et autres, et par exemple lire en arabe, etc. Merci, monsieur Michel. Comme mhm. vous l'avez dit, euh, c'est vrai maintenant, en braille, euh, il y a tout maintenant dans le, dans le braille. Mhm. Dans le système braille, nous avons, euh, il y a l'arabe, il y a même Hausa, je dis. Hein. Et tout de suite, là, avant même de venir ici, j'ai discuté même avec un spécialiste. Il me disait que il est en train de même de réfléchir comment faire même euh, le braille, le braille zarma. Mhm. Vous voyez, donc euh, je peux dire que le braille est devenu maintenant une écriture universelle. Dans les pays francophones, et Moustapha vient de parler des chiffres. C'est-à-dire que au niveau des pays francophones seulement qu'il y a les chiffres, les chiffres Antoine là, mais si vous prenez par exemple dans les autres, dans les autres pays, ça veut dire qu'à l'Europe là, ça veut dire que des fois, il ne faut même pas le braille. Hein. Mm. Parce que là-bas, il y a, y a, eu vraiment une progression, les, les élèves font, ou bien les, ce qu'il faut, c'est-à-dire que les étudiants, maintenant, ils utilisent même maintenant les outils informatiques maintenant. Maintenant, ce n'est plus maintenant le braille. Et comme déjà nous, nous sommes en retard, par exemple, le Niger, comme on a un peu en retard, et c'est ça que vraiment les élèves, et, comment on l'appelle, continuent à utiliser maintenant le, le, braille. Mm. Et ce Et pas facile maintenant surtout au Niger, euh, comme déjà vous voyez, ils ont parlé maintenant euh, de mathématiques, la physique, chimie. Et si le Niger ne fait pas ça, jusque-là, ce n'est pas développé. Si vous prenez mm. ici, là, juste à côté, dans les, sous-régions, juste à côté de Burkina Faso, les élèves font mathématiques, ils font de la physique, chimie. il y a même une année là, il y a même euh, un, professeur là qui était venu de, je sais pas, de, Burkina. Mm. Il a formé les professeurs nigériens et ça veut dire que le système mathématique, comment apprendre un élève aveugle en mathématiques ou bien à la physique-chimie. Mais comme déjà, il n'y a, pas, a pas de matériel, comme euh, l'a dit, il n'y a pas de matériel, c'est pour cela que vraiment Jusque-là, mhm. et on dit que les élèves aveugles sont exemptés à, faire, ne pas faire. Ça veut dire beaucoup reste à faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne même l'utilisation du braille, qui a connu beaucoup de progrès aujourd'hui, qu'en est-il de ces progrès quand il faut parler d'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp Quel élément euh, de précision avez-vous à apporter Lui, il a, il a maîtrisé un peu l'informatique plus que moi. Mhm. C'est pour ça que vraiment, il a donné au moins des d'imples euh, informations par rapport à, l'informatique, soit sur les portables WhatsApp c'est les portables qui font WhatsApp là. Mhm. Si vous prenez par exemple, il a parlé d'Android, c'est pas le mhm. braille qu'il utilise. Tout mhm. simplement, c'est la synthèse vocale là qu'il utilise. Même iPhone là, c'est avec euh, la synthèse vocale que, nous, utilisons maintenant. Euh, iPhone. La synthèse vocale, ça veut dire qu'on appuie, ça vous dit. Voilà, dès qu'on appuie, ça, ça parle. Donc mhm. on appuie sur le sur ce machin, ça parle maintenant. Voilà. Ça, euh, voilà. Mhm. voilà. Vous voyez, donc, que tu touches un endroit, ça parle. Voilà. Mhm. Donc tout simplement, c'est. Quand vous voulez regarder l'heure. Voilà, si je voudrais regarder l'heure, maintenant si je voudrais composer un numéro, tout ça là, c'est dès que j'appuie, il me dit 9. J'appuie, il me dit 6. Mhm. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, c'est en parlant. Et après, si vous lancez, il vous dit que vous si, avez si, lancé. il y a une partie là où je, vais lancer, maintenant, il dit qu'appel. appelle mhm. maintenant, tu appuies sur l'appel, et mhm. maintenant, ça, et, l'appel lance. Ça veut dire qu'à ce niveau, le téléphone fait une communication vocale avec vous. Voilà. Hmm, ça veut dire que c'est un logiciel qu'il faut installer. Euh, bon, euh, bon ça, vient, ça vient de le portable. Ça vient avec. Ça veut dire que pour nous autres, là, c'est pas activé, c'est ça oui, pour vous, même, si vous avez iPhone, si vous avez mhm. iPhone, maintenant on peut activer ça. Mhm. Si vous avez Android, on peut activer ça. Et comme mhm. l'a dit aussi, si d'autres portable n'a pas ça, vous pouvez télécharger. Donc pour les malvoyants, ce qu'on souhaite normalement, c'est les iPhones. Voilà, c'est ça le plus accessible pour nous. Maintenant, si je, si veux dire maintenant pour le braille, la formation du braille là, c'est les matériels là qui sont très chers. Si ce n'est pas l'État, un bon volontaire vraiment ne peut pas payer les matériels. Parce que si vous prenez, vous parlez de BIC. Vous, vous mhm. écrivez à chaque fois, à chaque jour, une fois que vous utilisez les bics. Mhm. Les bics, là, coûtent à peu près 100 francs dans les, boutiques. Nous, par exemple, notre bic, ce qu'on appelle le ponçon, coûte à mhm. peu près 2000 à 3000 francs, le, bic, là. Maintenant, si on parle de la tablette là aussi, donc vous connaissez, vous parlez de la tablette. La tablette, peut coûter jusqu'à 30 000. Vous voyez, une seule tablette. Hein? le ponçon à l'école qui les met à votre disposition. C'est l'État. Mhm. c'est ça que le, ministère, le, chef de la division est en train de dire que le ministère est en train de faire un effort en payant des imprimantes, des poissons, des machines un peu partout. Mais euh, quant à pour les imprimantes là dont le chef est en train de dire, les imprimantes là c'est l'UNAN qui les avait payées. Mmh. a payé des imprimantes un peu partout dans les régions. Mhm. Maintenant, il dit que l'État est en train de faire euh, un effort pour pouvoir payer. L'État doit donc vous <laughs> accompagner. l'État est en train de le faire. parce que si c'est pas l'État, il doit renforcer donc si son pas l'État, vraiment, on, ne peut pas. Merci beaucoup, <laughs> Monsieur Tahir Sabra, chef division inclusion et éducation en situation d'urgence. Aujourd'hui, de quelle stratégie dispose le ministère de l'Éducation nationale pour encourager et améliorer cet apprentissage du braille au Niger L'État est plus que jamais engagé dans toutes les réformes qui sont entreprises ces derniers temps et jusqu'à mhm. maintenant, l'État est engagé à faire de l'inclusion une priorité. L'inclusion, quand je dis inclusion, c'est-à-dire donner aux personnes vivant avec un handicap, n'importe quel handicap, la chance mhm. d'accéder à l'éducation et d'apprendre, mhm. au moins à lire, écrire et calculer. Ça, c'est déjà acté, le ministère est là-dessus. Et il y a effectivement d'autres efforts qu'on est en train de faire, on, est en train de faire durant des années. J'ai dit la formation des enseignants qui est mhm. très importante dans la prise en charge des, mhm. enfants aveugles aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, perspectives en vue, par exemple, d'une amélioration des outils pour écrire le braille au Niger Imprimante braille, tablette braille Non, l'État est en train de commander. Actuellement, nous attendons une commande d'environ entre 80 et 90 millions. Mhm je vous dis que ça, coûte cher, hein. il l'a dit déjà, mhm. ça coûte cher, très cher. Mais pour le moment, l'État déjà est en train de lancer une commande d'environ 90 millions, 90 euh, millions de CFA hein. pour pouvoir mhm. et, euh, acheter des poinçons les juste les nécessaires au moins pour mhm. couvrir l'ensemble de ces enfants handicapés. Les poinçons, les tablettes, les, papiers braille et quelques imprimantes aussi pour créer des imprimeries au moins régionales ou départementales. Mhm. Voilà ce que l'État la logique de l'État est en train de faire. Mais aussi, moi, je voudrais profiter de cette journée pour appeler l'ensemble de ceux qui nous écoutent d'apprendre le braille. Mhm. Le braille, c'est une culture. Aujourd'hui, si je peux apprendre l'allemand, le chinois, l'anglais, je peux aussi apprendre le braille. Mhm. On ne sait jamais. La vie est faite comme elle est. Il a déjà évoqué des gens qui deviennent handicapé visuel déjà en étant adulte, c'est déjà très important au lieu de revenir l'apprendre. On peut avoir des enfants aussi, mhm. déficients visuels, on peut avoir des parents, on peut avoir des amis. Mhm. Donc, euh, j'invite euh, vraiment l'ensemble de, ceux qui nous... Être malvoyant, ça peut arriver à tout moment. on peut hein. donc euh, perdre cette capacité d'écrire et de lire à tout moment. Exactement. Et quand on a un bon niveau, on apprend le braille. Donc, on, l'apprend. On, fait juste la transition. Tout simplement. <laughs> on fait la transition et on transcrit ce qu'on connaît déjà. Vraiment, le braille, c'est une culture. <laughs> voilà, c'est la vie qui est ainsi. Merci beaucoup. Et donc, c'est une bonne chose d'apprendre euh, le braille. Et fidèles auditeurs, euh, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui portait sur quels progrès enregistrés dans l'apprentissage et l'utilisation du braille euh, au Niger. Nous avons compris que l'apprentissage et l'utilisation du braille au Niger ont connu des grands progrès et beaucoup d'efforts sont toujours en cours afin que cette utilisation puisse être beaucoup plus adaptée aux besoins du moment. Il y a eu beaucoup d'enseignants formés et les progrès continuent au niveau de toutes euh, les régions du pays afin que au niveau du secondaire et du supérieur, les élèves malvoyants ne puissent pas abandonner parce que tout simplement les conditions ne sont pas réunies parce qu'il y a ces problèmes. C'est donc des efforts euh, qui continuent et c'est ici que se referme ce forum du studio Kalangou. Nous disons merci à nos invités, Monsieur Taher Sabra, il est chef division inclusion et éducation en situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Hassan Abdou Mustafa, représentant de l'Union nationale des aveugles du Niger, UNAN, et Maki Hassan, enseignant de braille à l'école des aveugles Soli Abdurrahman de Niamey, à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji à la technique Abdoulaye Yakouba. Passez une agréable soirée et au revoir.